ki nga xam nekk moo di Madiambal Diagne nag il a acté sa démission euh, ginnaaw bu ndaat di dissoudre assemblée nationale mu daal jàpp ni député lay waajo ñëw doona ni euh, afin donc moom boo post bu ni mel nag mu koy daal di dénk euh, ñeen ñoo xam ne amaan nañ mu nekk daal di gérer Madiambal Diagne nag démb gis nañ ko turam foofu si de la direction générale des élections liste Amadou Ba liste bobu nak amul irrégularité donc japp na itam yi alors pour justifier sa démission forcéan notre UPF euh, Madiambal Diagne mi ngi publier un message sur les réseaux sociaux bi nga xamni itam mi ngi exprimer euh, son engagement envers euh, cette nouvelle aventure politique bi nga xamni itam sobu na si waye itam mu propose aussi une solution peut-être pour daal di war organisation internationale de presse bu ni mel bi nga xamni itam do na ko diriger gis naa si nag Deubal Diagne cosaanuk UPF afan lu meuna nek la de Madior dem na bayina li n'a xam nekk moo di de poste de waajal campagne naka na dal jangate concrètement. oui mais le simple il a soit dafa jël yoonam ba. dafa jël yoonam. il a décidé oui il a décidé de faire de la politique. c'est tout à fait normal. mu démissionner ci lu ko denc ci la presse. c'est normal mu rendre le tablier parce que donc donc parce que euh, Sénégalais campagne il a droit de rendre le tablier. décider décider campagne. décider député Il député député. Hmm. <laughs> mais il doit il doit il doit laisser une autre affaire. il doit laisser la presse et aventuré tirer sa nouvelle responsabilité. Mm, mm. parce qu'il a choisi de faire la politique de ànd euh, euh, il faut le respecter il faut respecter sa décision maintenant <laughs> attention PSB bi Legi, la kaddu bu ñuy na la gravité de ce qu'il dit il n'est plus protégé par le code de la presse. Mm. ni bu defee njombe ñu convoqué ko presse presse bi dina ko ñëw taxo <laughs> fofu lay juumee parce que il a abandonné la presse pour aller faire la politique de la politique il faut assumer maintenant il est politicien té Abdoulaye mo né képp ku engagé wu ci politique jàppal ni sa benn tànk mu ngi ci kaso bi sa beneen tànk bi mu ngi ci liberté bi yow yaay choisir. politique maintenant na. politique oui, mooy politique Madame Diagne a déclaré officiellement ni que moom day démissionné ci ses postes yi ñu dénk yi ñu ko dénk ci presse bi day dem aventurer ci de la politique d'accord la décision est à respecter maintenant il faut que légui mu xam bépp cadre bu mu yëkëti mu def la part des choses voilà il faut mu def la part des choses bépp cadre bu mu yëkëti nit ñi dañ koy contextualiser ci politique ni que politique lay def il faut que ñu alerter ko dès à présent ba muy metti presse bi moo fi nekkoon di ko jàppale. Maintenant, il a décidé maintenant de démissionner de la presse, comme Mahmoud Ibrakan, <laughs> pour aller faire de la politique. Moi, je respecte sa décision. Mais il faut aussi nous assumer ses responsabilités. Parce que le plus nous ci politique bi est koy comme des actes purement politiques. Euh, mais avant mais avant il faut reconnaître que des fois euh, Madiambal Diagne sa démission est un acte fort qu'il a eu à foutre. non il a toujours été politicien encagoulé. mais c'est un acte fort. dama ne Madiambal mu démissionné poste bu toll nii Soudan ak francophonie dama ne Madiambal Diagne dem campagne. Madiambal Diagne a toujours été un homme politique. nee lii amaana amaana amaana. nee na Sénégal yi neen neen bàyyi xel lii. Amana, amaana mu koy doog a su nekkee député député rek lay si lay si lay nekk du si boole poste. dama commune du def dara loolu wax ni c'est la décision que je salue. Hmm. dama ne c'est la décision que je salue. mais dama dama ne Madiambal Diagne a toujours été un homme politique peut-être daf ko pour sénégalais mo pour mais il a toujours fait de la politique même je jëlé ses décisions yu wax bu juger Ousmane Sonko à Gigansor def envoyé l'agent judiciaire de l'État ay message ne ko déclarer euh, euh, le juge d'incompétence le le le adjoint de, de, de, de, la mairie de Ziguinchor et le frère de Sabassi Faye, tous les tous les, ce qu'il a dit Madjambadjan, c'est des actes purement politiques. Alors. Il a toujours fait Alors, de la politique. Euh, Madjambadjan, euh, vu que mom, il a sa plume exactement, donc il peut peser lourd ces élections concrètement. La, enfin. la, la, la, la, comment dirais-je La plume. La plume n'est rien du tout. Élection. Madjambadjan, il suffit que vous avez une étude. Dans la liste, vous gagner l'élection qui a plume bindé ci bi mësuñu président de la république pilim du dara. que non non non non non non non non non non il faut arrêter ça. yow non non ci non gis non non sénégalais non la grâce wala à cause de ce que madame non a écrit le le peuple décliné def non Madame Badian, dafa vous influencer le peuple sénégalais qui sa je te pose la question ne musuma ko pas, musuma dis influence Madjamba Diagne sur le peuple sénégalais mu impacté sur le peuple sénégalais nous musuma ko dis franchement donc il ne faut pas me dire que le fait que fait bascule qui basculer ci Amadouba, Ba dina andi ay jafe-jafe ñoom Ousmane Sonko wala dina andi ay jafe-jafe ñoom Parce que Macky Sall nene Amadouba aussi les Diakarlo ak Sonko. Mm. Ce sont ses adversaires politiques. Mm. Donc ñu ngi xaar Madiambal Diagne mu attaqué aussi ma euh, euh, kii Macky Sall. attaqué na ko nee na ko parce que il n'est plus avec eux. attaqué na ko attaqué na ko Alphane. <laughs> nee na naka ngay do toogee douze ans te ba tey jii am kenn ku la uutu sa kaw parti loolu la ko wax. voilà attaqué na dama ne il faut reconnaître. non non man si sa sa voilà dama ne. mi ngi attaqué Maintenant. <laughs> Maintenant, on va voir. Vous faites que l'Union grâce à sa plume. Voilà, à cause de sa plume. Il a le vote sur Amadouba. <laughs> Sénégalais, il a Les Sénégalais, il hmm. a Nihar. Dans l'élection, tout le monde est égaux. Maintenant, il faut aller. Ngadaganal bat Il voter, tout simplement. C'est les Sénégalais qui votent. n'est pas les journalistes qui votent c'est pas la presse sénégalaise qui vote Moi, j'ai multiplié multiplier articles que j'ai publiés ci la presse la presse locale c'est pas la presse qui vote c'est les sénégalais qui votent Quand yaakaar ni que ko di sénégalais yi di nga di nga di sénégalais qui ci sa plume wala je crois que c'est pas ça je crois que c'est pas ça. alors c'est clair exactement. askan wi képp kuy qui wàcc mbedd mi ta version. Didier m'a convaincu convaincre le peuple à travers un programme à travers l'Inganaradef le peuple tu l'as voté hmm. le peuple tu l'as voté maintenant nous bu que dañoo rivaliser Ousmane Sonko il va falloir avancer des arguments solides au peuple il va falloir avancer des arguments solides au peuple bu fekkee dañoo bëgg les euh, euh, euh, carte gi comme nous koy politique il va falloir donner des arguments solides au peuple sénégalais pour nous mener détourner voilà c'est clair. maintenant toutefois vous faites defuñu ko nga ni que parce que je suis avec madame Baldian qui est journaliste il peut écrire à tout moment l'autre moment, may peut-être ma gagner élection <laughs> je crois que le débat n'est pas là-bas. mais non, mais attends pourquoi journaliste yi dem euh, tout le temps aussi si engagé politique amuloo ngay andal, wala kon soit nga contre qui n'a xam ne Ousmane Sonko. Euh, pourquoi euh, gisoo benn journaliste bu génn métier pour dem rejoindre ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko qu'est-ce qui se passe concrètement Alpha. xanaa ñu nañ aussi une journaux yi tamit Amadou moo siy gën a fës. oui nañ ko nañ ko poser question question boobu nañ ko poser journaliste yooyu journaliste engagé politiquement ba parler di faree ak Amadou Ba. que ça soit Mahmoud Ibra peut-être doo gis Amadou benn avenir proche ci Amadou Ba. non mais oui bien sûr peut-être dañoo gis aussi ni que Amadou Ba moo leen di financer aussi. ah bon oui bien sûr il faut pas l'exclure aussi. <laughs> oui, bien sûr. Peut-être Amadou va m'en di financer nous aussi. mais ce sera bien coup. Ah, oui Amadou que ñi ñi que dafa alimenter presse by bi da ay journaliste oui Moi, man tey boo gisse gisee Madiambal Diagne mu dem ci Amadou Ba moom bettuma en tout cas mën ñeneen Sénégalais man betuma man je sais que Madiambal Diagne est tout le temps avec Amadou Ba Cheikh Yérim est tout le temps avec Macky Sall man bettuma ñoom Yakham Mbaye ñom Cheikh Yérim Seck ñoom euh, Madiambal Diagne ils ont tout le temps été avec ngourgui le régime donc loolu mënuma bet en fait mm-hmm. te aussi mënul bet sénégalais yu Maintenant, ces personnes-là, on ne va plus les considérer comme étant des journalistes, mais on va les considérer tout simplement comme des politiciens, les Madjambadjan. Parce qu'ils ont pris leur nouvelle décision de faire de la politique. Alors, c'est clair, exactement. Bon vent à, euh, Voilà, bon vent à, bon euh, Maintenant, maintenant, euh, alerte depuis les man lepp lu ma wax après ñu gis ko ci kanam dama ne euh, dama ne dama damay alerte depuis maintenant <laughs> que ça soit Madiambal Diagne que ça soit keneen ak keneen